yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Cher Tidjane Gadjo se lave à grande eau. L'ancien ministre des Affaires étrangères et formel. Il ne s'est jamais mêlé à des malversations. Le secteur de la pêche en eau trouble pour l'intersyndicale des travailleurs. Désormais, elle compte mener une grève tous les jeudis et vendredis pour exiger de meilleures conditions de travail. Le train express régional et ses dégâts collatéraux, manque de communication, mauvaise planification et insécurité, autant d'aspects déplorés par des impactés, leurs complaintes font l'objet du dossier du jour. Veille de fête au Sénégal, bonjour, la hausse du prix de certains condiments, l'oignon et la pomme de terre deviennent plus chers, tandis que les prix des poulets ne valent pas. À voir dans cette édition. Bonsoir. Cher Tidiane revient sur ses déboires avec la justice américaine. L'ancien euh, ministre des Affaires étrangères a démonté une à une les accusations portées à son encontre. Ni corruption, ni blanchiment d'argent. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Chatidiane Gayo, parle plutôt d'erreur judiciaire de la part de la justice américaine. Et c'était en présence de notre reporter, Gaillot. Dans une salle d'audience d'un tribunal, l'ancien ministre des Affaires étrangères a balayé tous les griefs que lui reprochait la justice américaine, de la corruption à la conspiration en passant par le blanchiment d'argent. Cher Tidjane Gadio, le président du MPCL, rejette en bloc. Je précise tout de suite ce que vous trouverez, vous trouverez certainement renversant. Il n'y a eu aucune transaction pétrolière au Tchad entre la compagnie chinoise en question le gouvernement tchadien et mon cabinet de consultation. Aucune. Aucune transaction. Aucune transaction. Aucune transaction entre le gouvernement du Tchad, CFC et mon cabinet. Aucune. Le leader de MPCL a fait l'objet d'une enquête qui aura duré près d'un an avec toute la logistique requise. Malgré cela, le procureur fédéral n'a retrouvé aucun centime illicite, ce que Cheikh Tidjan Gadio considère comme une erreur de la justice américaine. Mais faites vos propres recherches sur le sud District de New York. Celui qu'on appelait le chef aveugle, c'est lui euh, qui a fait des attentats au, Kenya et en Tanzanie, c'est eux qui l'ont jugé. Et bien d'autres euh, criminels. L'ancien président de l'Assemblée euh, de l'État de New York, l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, le Parlement de l'État de New York, ils l'ont mis en prison, il est encore en prison. Madoff qui a fait chuter euh, l'économie mondiale, ils l'ont mis en prison. C'est des experts, c'est des magistrats d'élite. ku dugg seen loxo doo fa rëcc doo fa jógee Cheikh Tidiane Gadio dugg na fa jóge mi ngi Sénégal toog ak yéen di wax suñu borom je les respecte je les ai jamais craints parce que je ne crains aucun être humain. Cheikh Tidiane Gadio précise qu'il ne possède qu'une seule nationalité celle de son pays. Contrairement à ce que certains ont avancé, il indexe du doigt un général à la retraite et un avocat. Depuis mon adhésion totale au panafricanisme, je n'aspire qu'à une seule deuxième nationalité. C'est la nationalité africaine et le passeport africain. J'aspire au passeport africain dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Cheikh Tidiane Gadio a réitéré son soutien au président Macky Sall pour la présidentielle de 2019. Il précise que le président Macky Sall lui a apporté un soutien moral, mais n'a jamais effectué une intervention auprès du président américain pour une quelconque libération. La société civile euh, intervient. Nous entamons euh, le volet euh, politique de cette édition. Samabat sous Sounou élection. La campagne est lancée Objectif, euh, sensibiliser le peuple sénégalais sur la pertinence et l'importance de retirer les cartes d'identité biométriques CDAO toutes les dispositions sont prises pour prévenir les risques de violence, de corruption, de fraude et de contestation préélectorale et post-électorale. Euh, les explications dans ce compte-rendu signé Pendabadji. Le peu d'engouement que les citoyens montrent concernant le retrait des cartes d'électeurs motive le SAID, l'ONG 3D et le COS à lancer une campagne multidimensionnelle, une démarche participative qui consiste à faire participer 1,5 million de citoyens aux élections présidentielles de 2019. Notre objectif, c'est d'arriver à avoir un taux de participation à l'élection présidentielle qui va au-delà de 75%. C'est pourquoi nous allons mobiliser 5 000 relais citoyens que nous allons déployer dans les régions, dans les départements, dans les quartiers et les villages, qui travailleront avec les commissions, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, pour faire le ciblage de tous les électeurs qui n'ont pas retiré leur carte et faire une démarche de proximité, les incitant à aller retirer leur carte, mais ensuite à les inciter à aller euh, voter. Chaque relais a pour mission de mobiliser au moins 300 électeurs. Et quand vous faites 300 électeurs par rapport à 5000 relais, ça fait presque 100, euh, presque 15 000, ça fait presque 1 500 qu'on va mobiliser, aussi bien pour le retrait des cartes que pour le vote. 98% des cartes ont déjà été retirées selon les statistiques. C'est dans ce siège que le président du COS et son excellence l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal prédisent une nouvelle ère pour une démocratie inclusive grâce à ce programme. Ces arguments ont été portés auprès euh, du Conseil constitutionnel, du président du Conseil constitutionnel, pour observer euh, les parrainages. C'est un premier pas. C'est une, je crois que c'est une euh, innovation de taille. C'est la première fois que cela se produit. Et cette ouverture du Conseil constitutionnel traduit une volonté euh, d'aller vers des élections transparentes. Notre gouvernement, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, est heureux d'avoir contribué à cette stabilité démocratique à travers un soutien continu aux processus électoraux depuis 2000, à peu près 18 ans. Ce février 2019, le Sénégal va encore une fois organiser des élections. Ce sera encore une fois, comme tout le monde l'a dit, une occasion unique pour vous, les citoyens, pour les citoyens lambda, de participer activement à la vie publique. Garantir et promouvoir des élections libres et transparentes au soir du 24 février 2019 est l'objectif attendu de cette campagne sous l'élection Samabat, une campagne financée par les partenaires, notamment l'USAID. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche observe désormais tous les jeudis et vendredis une grève. Elle réclame une revalorisation des salaires, le paiement des indemnités dues, tenez-vous bien, depuis 1992 aux observateurs de la pêche. Leur cri du cœur dans ce compte-rendu signé à l'air noire chez les travailleurs de l'intersyndicale de la pêche, ces derniers tirent la sonnette d'alarme sur les conditions difficiles de travail et disent en avoir à le bol Vous allez sur le terrain, vous verrez que les, les bâtiments, les services sont très délabrés. Les services départementaux n'ont même pas de véhicules pour couvrir tout le département. Donc, vu toutes ces conditions, on se dit que c'est, on ne peut plus accepter de travailler dans ces conditions de misérables. Depuis 1992, le corps des observateurs de la pêche n'a toujours pas reçu le paiement des indemnités. Ainsi, il réclame la revalorisation des salaires. Nous avons constaté que nous sommes les plus mal payés au niveau de l'administration sénégalaise et que rien ne le justifie. après avoir euh, parcouru un parcours professionnel, donc on trouve injuste que les travailleurs du secteur de la pêche soient les mal payés au niveau de l'administration sénégalaise. Ça, Deuxièmement, c'est euh, les observateurs. Ce sont des braves citoyens qui ont travaillé, servi leur nation pendant des années et que l'État leur doit euh, des, leur prime d'indemnité pour la surveillance en mer depuis des années. Cependant, ces travailleurs de la pêche comptent mener le combat jusqu'au bout. Le port de Brassard Rouge, tous les mercredis de chaque mois, et tous les jeudis et vendredis, euh, une grève générale, totale. Donc c'est tout l'étendue du territoire. Et nous, nous ne reculerons juste sans avoir eu gain de cause. Pour une satisfaction de sa plateforme revendicative, l'intersyndicale des travailleurs de la pêche menace de durcir la lutte et demande à l'État du Sénégal de respecter ses engagements. Pendant que ces travailleurs observent des grèves et eh bien d'autres s'unissent, un nouveau cadre a remué le secteur de la santé. Trois syndicats s'unissent euh, pour euh, plus de, justice sociale. Un seul objectif, euh, se battre pour la prise en charge des revendications des travailleurs de la santé. Safia Toukoli pour plus de précisions. SAT Santé, SDT 3S n'entendent pas laisser perdurer les problèmes du secteur de la santé réunis dans un cadre unitaire. Ils veulent se faire entendre. Nous n'avons jamais voulu arrêter en grève parce que nous connaissons les conséquences. Parce que quand une épidémie se déclenche, parfois il faut presque 3 à 4 mois pour l'éradiquer. On ne le souhaite pas et nous ne souhaitons pas en arriver là. Ces syndicats accuse le gouvernement d'être à l'origine de tous les problèmes du secteur et de vouloir diviser les différents corps de la santé. La santé est lourdement menacée. Il y a certains qui sont braqués et il y a d'autres qui sont en mesure ou bien qui sont en voie. Et je pense que cette situation, c'est le gouvernement et à la tête le Premier ministre qui est entièrement responsable. Vous voyez des paramédicaux qui sont en face à des médicaux, vous avez des paramédicaux qui sont des médicaux qui sont face à des techniciens. C'est ça que l'État cherche Non, je pense que nous n'allons pas suivre l'État dans, dans ce champ-là, parce nous sommes assez intelligents. Ces syndicats sont conscients de la nécessité d'unir leurs forces. La CNTS-FC est venue leur prêter mais forte. Une équipe de santé, une équipe sanitaire a besoin d'unité forte. Une équipe a besoin de cohésion et d'entente la situation est en train de s'empirer dans la dispersion des forces syndicales, dans l'opposition des forces syndicales. Ceci est extrêmement grave et nous nous tenons à l'unité, nous nous tenons à l'intégrité de notre mission de syndicalistes. Ce cadre unitaire des syndicats de la santé pour une justice sociale appelle à une grande fédération des syndicats de la santé. Ils pensent qu'il est temps que le gouvernement s'oriente vers des négociations sérieuses de la santé à l'environnement, la biodiversité est d'un apport capital pour notre pays. Elle a conduit à la mise euh, en place d'un réseau d'air protégé. La direction des parcs régionaux a validé son sixième rapport en ligne sur la question. Adjarangaye était de la partie pour impliquer davantage les secteurs qui sous-tendent l'environnement. La direction des parcs nationaux du ministère en charge du secteur valide leur sixième rapport national en ligne de la biodiversité. L'importance de cette biodiversité a conduit à la mise en place d'un réseau d'air protégé. L'environnement est donc une question transversale que seul le ministère donc en tout cas ne peut porter. Donc là, pour, renseigner donc, certaines informations, le ministère a besoin d'une approche intégrée. Et c'est là aussi, la même chose pour les questions de développement durable. Et là, l'innovation aujourd'hui, c'est l'outil en ligne. Au lieu d'un rapport qu'on avait rédigé de façon donc classique, c'est un outil en ligne qu'il faut donc renseigner. Malgré ces efforts consentis, la biodiversité est toujours confrontée à beaucoup de menaces liées à la destruction. On vient de la COP 14 biodiversité. Et là, le thème, c'était investir dans la biodiversité pour la planète et les peuples. Et il, était également question dans le segment de haut niveau d'intégrer la biodiversité dans les autres secteurs. Et là, ce qui est important, c'est surtout de voir les secteurs qui étaient considérés comme destructrices de l'environnement, comme mines, énergie ou autres, comment les concilier. Il s'agit donc de voir les dix objectifs donc, nationaux, comment chaque secteur en tout cas, a fait donc des, progrès. Pour faire face à ces nombreuses pressions et défis, le Sénégal a souscrit à de nombreux accords multilatéraux internationaux sur l'environnement et en particulier la Convention sur la diversité biologique. Objectif, favoriser la répartition juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Déficit de communication, mauvaise planification et insécurité, autant de difficultés dénoncées par des impactés par les travaux du train express régional à Anne-Belair, Dalifort et Lufis que se déplacer relève parfois du, euh, euh, parcours du euh, combattant, de véritables parcours du combattant à certaines heures. Parfois, les automobilistes sont obligés de procéder à des déviations. Le train express régional et ses dégâts collatéraux, c'est un dossier signé Filamentine. Les travaux du train express régional bloquent les artères des communes de Anne-Belair, d'Alifort et Rufisque. Ainsi, les populations riveraines rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer. Elles accusent l'État de ne pas bien planifier. Dans toutes choses, il faut d'abord une planification. Informer d'abord la population et les mettre au courant de savoir en fait comment les travaux se passeront. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés quant à tout déplacement des usagers. L'indemnisation, ce n'est pas tout simplement d'indemniser, mais c'est éventuellement d'amener des mesures d'accompagnement. À cela s'ajoute un problème de sécurité lié aux travaux. Concernant la sécurité, il revient à l'État aujourd'hui de prendre toutes les dispositions qu'il faut par rapport à ça. Et si euh, nous interpellons l'État, c'est par rapport aux moyens dont eux ils disposent aujourd'hui par rapport à la logistique, par rapport à la sécurité. Et il revient aujourd'hui de mettre les Sénégalais par rapport à ces travaux et à ces grands chantiers de l'État dans une politique de sécurité et de sécurisation. Beaucoup d'usagers, pour éviter les embouteillages, préfèrent marcher. Je quitte Yarar pour aller au travail tous les jours. Et d'habitude, je passais par ici en prenant le car rapide ou bien le bus. Mais depuis qu'on a commencé les travaux jusqu'ici, donc euh, on n'arrive plus à, accéder correctement à notre, euh, lieu de travail. C'est une perte de temps parce que euh, les autorités devraient au moins penser à nous, comment dire, créer un issue ou bien une autre route. Mais bon, là, ils nous ont barré la route on, est obligé de, se taper 2 km ou 3 km pour aller euh, prendre notre voilà, à pied. On ne peut pas nous dire que c'est quelque chose qui va nous arranger dans l'avenir et puis ils nous, ils, nous pourrissent déjà la vie. Selon ce conducteur, du côté des automobilistes, circuler dans ces artères est un véritable casse-tête. Les embouteillages sont monstres. Les voitures ne bougent même pas. Nous, les habitants de Rufisque, nous souffrons énormément. Mais au moins, avant d'entamer des travaux, il faut penser à faire des passerelles. À cause des déviations, nos véhicules se gâtent. On fait des contournements, même jusqu'à Barnier. les travaux du terre disent souffrir le martyr. Elle lance un cri du cœur aux autorités et demande à celles-ci de revoir dans l'avenir la planification de certains projets phares. Non, pardon, euh, euh, l'éducation à présent, euh, modernisation des euh, DARA, 64 écoles coraniques seront prochainement livrées. Une annonce du ministre de l'Éducation, Céline Baïkam, a présidé la cérémonie d'inauguration de l'Institut islamique de Dakar. Le ministre de l'Éducation est interrogé par Aïssatou Saoudites Saoudite, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite euh, a procédé à la réhabilitation des locaux de l'Institut islamique de Dakar pour un montant de près de 75 millions de francs CFA. Ces locaux, certains de ces locaux étaient dans un état de dégradation assez avancé et pouvaient même menacer la sécurité des occupants. Donc je suis venu ici aujourd'hui en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale ministre de tutelle de l'Est islamique de Dakar, au nom du gouvernement du Sénégal, en présence de l'ambassadeur, remercier le Royaume d'Arabie saoudite, mais en même temps exhorter les occupants, les enseignants, les élèves, pour que ces travaux puissent, euh, les locaux puissent être maintenus, pour que ces travaux de réhabilitation puissent durer le plus, plus longtemps possible. Ces actions du Royaume d'Arabie saoudite viennent compléter ce que le gouvernement fait, ce que le président Macky Sall fait dans le domaine de l'éducation. J'ai parlé du programme de construction des DARA actuellement euh, au niveau du Sénégal, où les 64 DARA du PAMOT sont en train d'être livrés. Parlons à présent d'un autre aspect de l'éducation nationale. Crise cardiaque, hémorragie interne des élèves ont été sensibilisés sur les gestes qui sauvent une initiative saluée par élèves et enseignants dans cet élément signé Abdurrahman Crise cardiaque, hémorragie interne ou encore étouffement, autant de facteurs qui causent de nos jours la mort de bon nombre de Sénégalais. Ces derniers pouvaient pourtant être sauvés avec des gestes simples si on se fie aux propos de cet homme, instigateur donc colloque qui dégage comme objet les gestes simples qui sauvent. Ce programme d'éducation, prévention et gestes qui sauvent, c'est un programme qu'on a mis en place pour les élèves les former, plus aussi le personnel enseignant, les former dans le domaine du secourisme. Parce que et, les objectifs de cette euh, formation, en fait, de, cette, de ce programme de c'est d'apprendre les élèves comment se protéger et comment protéger les autres. Et à partir de là, maintenant, comment secourir cette victime-là Si vous êtes face à une hémorragie, devant un accident de la rue où il y a une hémorragie, quels sont les gestes à adopter Malgré une culture approximativement en déphasage, ce représentant de l'État soutient qu'il faudrait sensibiliser la population. C'est une activité qu'il faut démultiplier. Essayer de faire la même chose au niveau des autres établissements scolaires parce que l'école est euh, un moyen de pouvoir démultiplier euh, certains gestes, parce que l'école n'a pas uniquement pour vocation de transmettre des, savoirs, mais elle a aussi une vocation de transmettre des savoir-faire et des savoir-être. Abondant dans le même sens, ce parent d'élève se dit satisfait. Alors si, par exemple, l'enfant apprend des gestes très simples, qui peuvent se d'abord à la maison, il montre à ses parents, nous les parents maintenant, nous sommes là aussi pour apprendre parce qu'il faut qu'on arrive à démultiplier justement euh, ces, gestes-là pour, pour essayer de sauver une vie vraiment, nous sommes heureux vraiment de constater que M. Aider a pu commencer par notre CM pour au moins apprendre ces gestes-là. A souligner que la mairie, représentée à la rencontre qui a eu lieu au CM SCAT Urbam, promet de mettre tous les moyens à la disposition de Seine-Afrique afin que chaque foyer puisse disposer d'au moins d'un secouriste. de l'université Gaston Berger de Saint-Louis volent au secours de leurs frères. Il compte euh, appuyer ces jeunes pour leur offrir de meilleures conditions d'études. Ils déclare être peinés par la situation de l'UGB à Saint-Louis. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Gambigagna. kuréel gii di waa Sànnaar dajale ñi doon jàngee ci université Gaston Berger ba seen jàng bënn ñu xëy di liggéey tey jii nag ñoom ñoo dellu si ni dañuy wàllu seen rakk yi nga xamee ni jamono jii dañoo am ay jafe-jafe yu tar ci wàllu njàng mi. waaw lii kay boo gisee ñu ñëwaat ci pour joxe yaakaar la parce que ñun ay fii lañ jàngee li ñu am yëpp tey ci àdduna daanaka fii lañ ko amee université bi moo ñu ko jox donc ñun. peut-être mënoon nañu toog fu ñu nekk parce que alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mais loolu suñu suñu xol mayuñu ko. université mission mooy mu former étudiant mais étudiant aussi boo koy former aussi il faut nga xamal ko lan moo nekk ci biti lan moo xew ci monde professionnel moo tax ñoom touche boobu lañ ñëw indil tey suñu étudiants yi dañ ci content trop bi ñuy ñaan yàlla mooy lu mel ni continuer ñu mën di ko def chaque année parce que du yaay dañ ciy bénéficier wu. tey nag sunu jon yalla tay jii ñi nga xamé ni ñom ñoo jité université bi ci walu kurus ak walu rectorat ñom ñep fi la ñu jàngé woon ba seen jàng bënn Incursion d'un élément Wolof dans cette édition, toutes nos excuses et de quatre pour les titres, hausse du prix de certains condiments, le sac d'oignons coûte actuellement 13 000 francs CFA au moment où euh, celui de la pomme de terre est à 11 500 francs CFA. Le coût du euh, poulet, quant à lui, reste constant au marché Castor. Ce n'est pas encore le grand rush. Les clients rencontrés euh, déplorent cette hausse au marché Castor. Notre reporter Sylvie Saratassa s'est promené sur son élément. Très prisé lors des fêtes de Noël, le marché Castor est bien ravitaillé en poulet. Les prix varient entre 2500 et 3000 francs CFA. Selon certains vendeurs, ce n'est pas encore le grand rush, mais d'autres soutiennent qu'ils se frottent les mains je vends mes poulets à 3000 francs, voire même 2750 francs. Le marché de l'oignon et de la pomme de terre nous confie ce grossiste. Le sac d'oignon se vend à 13 000 francs et la pomme de terre à 11 500. Depuis l'arrivée de ces produits importés sur le marché, on a tout remarqué une hausse. Désiré Djedjou, une cliente, dénonce cette hausse. Euh, tout est cher. La euh, pomme de terre, le kilo c'est à 600 francs. Oignon 600 c'est tellement cher. Avec l'approche de la fête là, c'est tellement cher. Si on peut diminuer ça, ça sera mieux pour tout le monde. Selon ce délégué de marché, les denrées importées et celles locales doivent avoir le même prix. L'oignon sénégalais et la pomme de terre se vendent euh, à de pas prix. Et pourtant, ce n'est pas le cas avec euh, ces produits importés et personne n'en parle. C'est vraiment désolant et inacceptable. Au moment où les commerçants étalent leurs difficultés pour écouler leurs marchandises, les clientes demandent à ce que les prix soient revus à la baisse pour qu'elles puissent fêter Noël avec un dîner bien garni. Le sport à présent, la génération foot joue son match retour ce dimanche contre Hassania US Agadir. Le club marocain est très confiant et compte remporter ce match. En face, l'on affiche une confiance inébranlable. Le coach de génération foot soutient que la qualification est toujours à portée de main. Je vous propose euh, justement d'écouter les deux coachs au micro de notre reporter à a Face à nous, un adversaire qui est redoutable, mais euh, on sait aussi que euh, en Afrique, euh, ça se joue sur deux manches. on a la chance d'avoir ce, match retour à domicile. Et nous, on mettra tout en œuvre, mais ben aussi, tout comme la Sanya, pour, jouer notre qualification. Pour défendre notre objectif, il faut très bien organiser, bien concentrer. Et on a du but d'avance. Euh, c'est vrai, va être un match difficile, mais euh, tout le monde est prêt. Euh, les dirigeants, je remercie beaucoup les dirigeants, ils nous préparent des, conditions magnifiques jusqu'à maintenant. Quand on accepte de travailler dans des structures, il faut aussi des contraintes. Les règlements sont les règlements. Il ne faut pas en faire une affaire d'État. La CAF a décidé, on se plie à cette décision. La culture à présent, Gibi Dramé lance son quatrième album, comme qui dirait celui de la différence. En plus de la vulgarisation de la culture mandingue, l'artiste y développe des thèmes importants. Nous l'écoutons au micro de Chantal Bachi cadres si vous prêtez bien une attention particulière à la musique, vous verrez que moi, Drami et ma chéri avons fait des avancées, tant sur le plan de la mélodie qu'à travers les messages que nous véhiculons dans notre musique. J'ai travaillé pendant des mois dans mon studio accompagné de ma femme.